le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du auditeurs et auditrices, euh, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 26 octobre 2018. Ce rendez-vous hebdomadaire avec euh, des confrères journalistes de la presse audiovisuelle écrite ou en ligne permet d'analyser les principales informations ayant marqué l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, il s'agira tout d'abord de l'assassinat le 2 octobre en Turquie du journaliste euh, Jamal Khashoggi dans l'enceinte euh, du consulat de son pays, l'Arabie saoudite. Puis nous parlerons de l'indemnisation des enfants de Tibérie victimes de malformations entre 1995 et 2000 pour avoir bu l'eau très fluorée. Nous aborderons cette autre question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le retrait de l'agenda de l'Assemblée nationale du test de loi sur la lutte anti-tabac au Niger, une discussion initialement prévue hier 25 octobre. Et nous terminerons avec l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun qui donne un septième mandat au président Paul Biya au pouvoir depuis 1982 avec 71% euh, du scrutin contre 14% pour l'opposant Maurice Camto qui continue à crier à la fraude. Pour débattre de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir Hussein Issa, journaliste euh, freelance. Euh, Hussein Issa, bonsoir. Bonjour. Alaji Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter. Alaji Mohamed Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir, Michel. À la présentation, Michel Dji. Chers invités, avant d'attaquer le premier sujet, un mot pour euh, le repos de l'âme de Moulay Abdoulaye, directeur euh, de publication de l'hebdomadaire euh, Le Soleil, rappelé à Dieu mardi à dernier. Hussein Issa. Merci Michel. quand j'ai appris l'information, ça a été un choc pour moi parce que Moulay Abdoulaye, on a cheminé ensemble depuis la décennie 90 dans les médias. Mhm. Et depuis lors, on était restés ensemble. Et c'est survenu comme ça et ça a été un choc pour le monde de la presse. Je profite de votre plateau pour présenter mes condoléances une fois de plus à, sa famille, mais également à la famille de la presse nigérienne. Et là, Mohamedou Suleiman. Euh, Moulay, c'est un ami, un confrère. Euh, on le sait malade depuis une dizaine d'années. Il s'est battu courageusement euh, jusqu'à cette date fatidique. Euh, euh, vraiment, c'est une perte pour la presse nigérienne. Donc, je jure ma voix, en tout cas, à Issa, pour dire vraiment, pour souhaiter en tout cas le repos éternel à son âme et du courage à sa veuve Hawa et ses orphelins. Issa Madougo et Abdoulaye, c'est un doyen que nous avons trouvé dans le monde de la presse et qui a été toujours courtois, cet homme euh, qui aime chaque fois échanger des mots avec euh, la nouvelle génération, qui n'a pas ce, cette barrière de débat intergénérationnel et que vraiment c'est une grande perte pour la presse nigérienne. Mais là, c'est ainsi va la vie. Nous, venons, mais nous allons partir quand même. Nous souhaitons euh, que on puisse garder toujours des bons souvenirs de ces gens qui ne seront jamais oubliés et qu'à l'occasion même de la célébration de la journée nationale de la liberté de la presse, que de temps à autre, que nous puissions baptiser certains lieux ou bien certains espaces euh, par les noms de ces illustres euh, personnes qui ont marqué le monde de la presse. Et nous prions pour le, repos de son âme et que la terre lui soit légère et courage à toute la famille de la presse et à sa famille et pleure amène ainsi va la vie, à son âme. L'actualité au plan mondial reste dominée par la recherche de la lumière sur l'assassinat du journaliste saoudien Yamal Khashoggi on sait qu'il était au consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre pour des formalités alors que sa fiancée turque l'attendait à l'extérieur et depuis personne ne l'a vu ressortir cette semaine face aux députés de son parti. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé de meurtres sauvage et planifié. Pensez-vous que ce meurtre a été planifié car la situation reste euh, ingérable pour un pays aussi puissant que l'Arabie saoudite Vous savez, Michel, la, disparition a été constatée. Tout le monde l'a vu. En tout cas, des gens l'ont vu rentrer. il était, je crois, accompagné de sa fiancée. Mm-hmm. Et qu'il n'est plus ressorti. Dans un premier temps, l'Arabie saoudite a dit non, à nier qu'il était ressorti. Au bout du compte, avec euh, les prêchons au niveau international, finalement, l'Arabie saoudite a reconnu qu'effectivement, il a été, en tout cas, assassiné. Et maintenant, le débat se pose de savoir, le, le comme avait dit, l'argument qu'ils sont en train d'avancer que eh, c'est un accident. C'est un accident au cours d'une bagarre, une altercation qui a mal tourné. Mhm. Ça ne tient pas la route parce que c'est déjà une quinzaine de personnes qui sont venues dans un consulat, qui rentrent et qui ressortent. Parce que quand les investigations se sont poursuivies, ils ont découvert finalement que le corps même a été sorti pour être enterré chez le consul. Comment des gens peuvent venir dans un consulat et qu'ils ressortent comme ça et qu'on ne retrouve pas le corps et que les gens continuent à nier C'est la pression internationale qui a fait que finalement les Saoudiens étaient obligés de reconnaître qu'effectivement il a été assassiné dans le consulat. Maintenant, le débat se pose pour savoir dans quelles circonstances exactement il, a, il, a, a, trouvé, la mort mhm. Allah Alors, j'ai Suleiman Mohamedou, pourquoi selon vous les grandes puissances promptes à étouffer les pays du tiers-monde pour euh, moins grave que ça restent aujourd'hui hésitants Justement, cela qui montre euh, à l'évidence l'hypocrisie de notre monde euh, cette affaire, c'est un crime euh, odieux. Euh, un journaliste qui fait bien son travail, tout simplement parce que ce qu'il pense ne rime pas avec l'intérêt de son pays. Mmh. donc cela est suffisant pour tout simplement neutraliser sa voix. Je pense que dans un monde aujourd'hui de liberté, en tout cas euh, ceux qui sont en train de vouloir se comporter en gendarme du monde, euh, en tout cas, euh, montrent un visage vraiment hideux, en tout cas, qu'ils soient indignes en tout cas de, de, nous faire ce qu'ils nous font en tout cas en Afrique mm-hmm. notamment. Bref, moi je dois quand même dire il faut saluer le courage de, de la Turquie. Mm-hmm. Erdogan en tout cas cette fois-ci il a fait vraiment profil en tout cas il a vraiment en tout cas je veux dire mis en avant euh, les libertés fondamentales, en tout cas, il a fait en sorte que les semis euh, en tout cas, s'est démarqué de cette hypocrisie donc des puissances qui, en tout cas, euh, très certainement, veulent protéger leurs intérêts, même ceux qui ont osé donc un peu mettre en garde l'Arabie Saoudite. On a compris, c'était juste un peu de la poudre aux yeux, la vérité c'est que apparemment euh, ce crime va être cautionné par ces puissances, les sanctions attendues. Parce que ce n'est pas seulement, ce, ah, je veux dire, ce, journaliste, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, tout celui qui croit aux valeurs, en tout cas universelles, mm-hmm. on pense que nous sommes dans un monde où on doit cesser euh, vraiment de, tuer quelqu'un, qu'il soit journaliste en tout cas, ou n'importe quel... Euh, même quelqu'un qui a commis un crime, hein je veux dire, euh, euh, il y a quand même des voies aujourd'hui civilisées pour euh, en tout cas régler la, situation. Donc moi je pense que véritablement, pour faire court, le vrai débat c'est que la réelle politique a triomphé, les États, face à leur intérêt, peuvent effectivement se taire devant des, en tout cas des, calamités, parce que ça là, je pense que a identifié, je pense que finalement l'Arabie saoudite... Euh, a voulu donc nier. Finalement, ils ont reconnu euh, les faits. Mais maintenant, euh, qui est là pour juger, en tout cas pour, pour, jouer l'ordre du, procureur Donc, je pense que c'est vraiment, montre clairement que les libertés fondamentales, notamment la liberté de la, presse, mhm. est en danger. Et pas seulement en Arabie Saoudite, mais d'autres pays aujourd'hui peuvent se dire que si on a fait ça en Arabie Saoudite, on a donc euh, liquidé, on, euh, on, peut, essayer. Donc, euh, je pense que véritablement, il faut se. en tout cas, c'est un scandale, c'est un scandale, et je pense que véritablement, le monde, notre regard en tout cas, est, rivé sur, ces, puissances, en tout cas désormais, qui sont en tout cas très mal placées pour nous faire des leçons. Issa quelles peuvent être les conséquences qui en découleront pour l'avenir des relations diplomatiques et commerciales entre ce royaume et le reste du monde Merci Michel, mais vous savez, l'Arabie saoudite a toujours joué, si on peut le dire, euh, sur le poids économique, pour, sur son poids économique pour tisser ses relations. Vous vous rappelez quand il y a eu euh, cette levée euh, contre le Qatar, soi-disant que le Qatar finance le terrorisme, ils ont intimidé ou bien ils ont vendu de l'illusion à certains pays comme les nôtres pour soutenir leur initiative en chassant catégoriquement les catégories de leur, des, territoires de, de ces pays-là. C'est le cas de l'Union. Tout le monde sait que le poids que Qatar Charité jouait dans la bienfaisance, l'assistance aux personnes vulnérables depuis leur départ. Quelle est l'ONG euh, saoudienne qui a eu à remplacer cette structure Il n'y en a pas. Vous savez, quand cette affaire a éclaté, hum. beaucoup de pays ont été réticents. Si c'était un pays africain, vous allez voir la vague de réaction, d'indignation qui va tomber de par-ci et par-là du monde occidental. Trump, il fallut que les journalistes le harcèlent pour qu'il puisse se prononcer. Mais lui, il n'a pas, il pas condamné l'Arabie saoudite directement. Il a seulement dit le geste, le fait de tuer des gens. On a vu Macron au salon de l'Analytique au mhm. budget, qui a refusé carrément de répondre à la question, qui dit que je ne réponds pas, je n'ai rien à dire. Voyez-vous, parce qu'il y a des enjeux économiques. Au salon de l'aéronautique, on attend les Saoudiens à ce qu'ils viennent acheter de, l'armement. Donc, il faut, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et MBS aujourd'hui Mohamed Ben Salman depuis que son père a usurpé la succession pour le nommer prince héritier. Pourtant, tout le monde sait que la lignée transversale chez les Saouds. Parce que depuis Saoud, il a dit que ce sont ses fils. Et aujourd'hui, il y a le dernier qui est là, le frère de Saoud et, que, et le frère de Salman, que Salman a refusé que soit le prince héritier, qui débute automatiquement. Depuis qu'il a nommé son fils, on a constaté, c'est ça à travers ces actes qu'on appelle dérives autoritaires. Tout ce que les jeunes dénonçaient dans nos pays, ce n'est pas ça. Le fait que quelqu'un, il, dès qu'il a cette fougue de, se constituer un monstre, c'est ce que euh, MBS constitue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les puissances, les grands du monde ouvrent leur palais, leur bureau à ce homme Aujourd'hui, on le voit euh, avec Trump, on le voit en Europe circuler avec Theresa May, et des photos par-ci, par-là. Et aujourd'hui, vous avez vu, tout juste après le, meurtre, une parodie qu'ils ont orchestrée avec la famille. Parce que l'enfant est obligé de serrer. On ne refuse pas la main du roi, lui et son père. Voyez-vous, c'est des choses que l'Occident ferme les yeux. Mais si c'était un pays africain, imaginez si c'était par exemple un Kagame qui ose faire ça. Vous avez vu les sanctions qui ont descendu sur euh, le, Burundi Ce que la précision ici, il faut le dire aussi, c'est que Jamal est un citoyen saoudien et donc euh, il y a un lien étroit avec l'Arabie saoudite. Attendez, quand la journaliste maltaise euh, qui, faisait des investigations mm. sur la corruption est assassinée, c'est le monde entier qui s'est indigné. Mm-hmm. Elle a été assassinée où Dans son pays. Non, quand on prive la vie à quelqu'un, c'est normal que tout le monde s'indigne. Mais de la manière dont Jamal Khashoggi a été tué, ça dépasse même le mot barbarie. On ne trouvera pas un mot concret adéquat dans le vocabulaire pour qualifier cette barbarie humaine. Comment vous pouvez découper quelqu'un et le faire disparaître son corps pendant que les grains de ce monde sont en train de jouer, euh, comment on appelle, à l'hypocrisie humaine C'est incroyable. C'est donc une question de dignité humaine euh, qu'il faut respecter à ce niveau. Hussein Issa, pourquoi selon vous les pays africains, notamment musulmans, ne disent rien Mais Vous savez, euh, comme vous le dites, les pays musulmans africains, c'est des pays le plus souvent, dans leur écrasante majorité, c'est des pays souvent pauvres. Ils sont musulmans, ils considèrent que l'Arabie saoudite, c'est le lieu sain de l'islam et qu'il faut ménager ce pays parce que tout simplement, il y a le pèlerinage qui se, fait chaque année. Hum. En dénonçant, parce que jusqu'ici, aucun pays, je n'ai pas entendu, en tout cas à travers les médias, un seul pays sortir pour condamner le crime odieux. Malheureusement. Malheureusement parce que les gens sont dans des calculs économiques, en espérant obtenir des soutiens peut-être des de, princes, ce qui n'est pas évident. Hum. Parce que ça Madougou vient de le dire, quand il y a eu le problème avec le Qatar, entre l'Arabie saoudite, on a vu comment, dans nos pays, les gens se sont carrément rangés derrière l'Arabie saoudite. Et les gens ont fait même partir euh, des ambassades, des, ONG caritatives qui interviennent dans nos pays. Ce n'est pas seulement au Niger que ça s'est passé, au Sénégal ça s'est passé, mhm. un peu partout, au Mali, tout ça. Mais malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas de condamnation parce qu'il n'y a pas de mhm. courage ils n'ont pas le courage de s'assumer, nos responsables politiques, pour dire, pour dénoncer, en tout cas pour dénoncer ce qui vient de se passer, ce qui s'était passé. Merci ça donc. Qui est dommage. Merci pour ces différentes interventions. Parlons à présent des enfants de Tiburi Maradi. Après avoir bu de l'eau à fort dosage de fleurs il y a plus de 20 ans, ces enfants ont développé des malformations, les unes plus graves que les autres. Une décision de justice qui ne date pas d'aujourd'hui condamne l'État à dédommager ses victimes devenues adultes. Le ministre des Finances, interpellé samedi par les députés, a promis que l'État va s'exécuter en dédommageant ces infortunés sans pour autant donner une quelconque échéance. Avez-vous des précisions si ce dédommagement sera fait bientôt pour permettre aux bénéficiaires et à leurs parents de trouver un peu de soulagement après tant d'années de souffrance ou L'information, en tout cas, euh, ça, ça refait surface, je crois, la semaine ou du moins le week-end dernier, le samedi, mm-hmm. quand le ministre de Finances a été interpellé. Je crois que c'est un député de Maradi qui l'a interpellé. Mm-hmm. Par rapport à la question, on a suivi la réponse qu'il a fournie, le ministre soumis Massoud, et dit qu'il n'est pas au courant du dossier, mais qu'il va se renseigner. Et que quand il va se renseigner, il va voir à quel niveau ça se trouve, parce qu'en temps, il y a beaucoup de ministres qui ont défilé au niveau du département ministériel de Finances, il va faire en sorte que les victimes soient dédommagées. Mm. Je crois que le montant est de 2 milliards. Maintenant, est-ce que diligence sera faite pour que effectivement le dédommagement ait lieu Parce que toute la question est là. Le tout n'est pas de prendre des engagements, mais encore faudrait-il accélérer la procédure. Mm-hmm. On va attendre de voir. J'ai suivi aussi un député de Maradi qui dit dans deux semaines, s'il n'y a pas une évolution par rapport à cette préoccupation-là, il va encore rappeler le ministre pour qu'il vienne encore une, fois de plus devant le Parlement pour dire à quel niveau se situe le blocage. 2 milliards, c'est quand même euh, euh, un gros pactole, c'est beaucoup d'argent. Et certainement qu'il faut craindre qu'il y ait du dilatoire dans la gestion du dossier. Issa Madougou, qu'est-ce qui peut expliquer cette lenteur de l'État à dédommager justement ses enfants Un manque d'argent au trésor ben, écoutez, vous savez, c'est une affaire qui a duré plusieurs années et plusieurs gouvernements se sont succédés. Donc, et ça aussi, vous savez, connaissons un peu les réalités de l'administration nigérienne euh, qui, euh, qui est trop lente dans le traitement de certains dossiers. On peut dire que peut-être c'est à ce niveau. Mais quand même, moi, je suis <clears throat> un peu, quand j'ai écouté le ministre, euh, il a quand même eu à rassurer pour dire que si une décision de justice est tombée, pourquoi ne pas le respecter Il faut respecter la décision de mhm. justice. Donc, il va prendre les dispositions. Mais la question qu'il faut se poser, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a euh, l'État les moyens aujourd'hui, dans ce contexte, quand on sait qu'aujourd'hui, il faut mobiliser <laughs> les ressources internes, que jusque-là, on sait qu'il y a l'État fait de son mieux, mais quand même, c'est un peu difficile. Donc, est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de procéder Est-ce que c'est à l'État de savoir Mais quand même aussi, les, élus de la région ne doivent pas baisser la garde. Ils doivent veiller à ce que cette opération puisse se mener euh, selon euh, ce qui a été dit par la justice, parce qu'il y a mm-hmm. d'autres qui attendent, d'autres qui ne sont même pas en vie. Euh, donc, il faut que le dédommagement vraiment soit euh, effectué euh, conformément à ce que la justice avait décidé. Moi, je pense que c'est quand même bien si, même si c'est après des années qu'on a pu, on a pu aboutir à ce résultat, mhm. je pense qu'il faut quand même saluer le fait qu'il y a eu euh, ce regard sur la vie de ces enfants aujourd'hui qui sont devenus des adultes parce que c'est entre 95 et 2000. Même 2000 à aujourd'hui, c'est 18 ans. Donc, euh, ce sont des majeurs. Donc, euh, voyez-vous, et quand on connaît un peu les réalités socio-culturelles de nos pays, une personne qui a mal formation, c'est pas facile aujourd'hui de construire sa vie. Même pour travailler, voyez-vous, même les lois qui sont là pour protéger les personnes en situation de handicap, ce n'est pas tout le monde qui les applique et aussi à euh, fonder une famille. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de vivre mm. avec euh, une personne en situation de handicap. Donc, voyez-vous un peu le calvaire qu'ils ont vécu et cette discrimination. Moi, je pense que pendant longtemps que cette mm. euh, le fait de les dédommager va, les soulager juste un peu, eux et leur famille. C'est donc une décision que vous saluez. Elhaj Souleymane Mohamedou, existe-t-il d'autres voies de recours pour ces victimes si les 2 milliards ne tombent pas Bon, je pense qu'il est question d'exécuter une décision de justice. Donc, en termes de recours, tout simplement, euh, si les moyens euh, de l'État euh, permettent de le faire, c'est vraiment assez élémentaire que de régler un problème. Mais je pense que dans notre pays, la vérité, c'est que souvent les faibles euh, très peu de gens se soucient de leur cas. On l'a dit, différents gouvernements qui sont succédés, on a mis ça entre parenthèses. Euh, si même on payait, on prend des engagements, chaque année on, dégage quelque chose euh, pour ces gens. Même s'il fallait faire un compte durant 2-3 ans, on allait quand même avoir quelque chose de consistant pour eux. Mais comme ce n'est pas une priorité apparemment pour les plus forts, euh, on avait oublié ce cas et je pense que c'est bien dommage. Il va falloir, donc, euh, maintenant que le dossier est sur la table, donc, euh, que le ministre des Finances, dans le cas où, effectivement, on le sait, nous sommes dans une situation où on parle des tensions de trésorerie. Donc, mais de prendre des engagements très, très clairs, en tout cas, pour qu'on ne puisse pas oublier, parce que quelqu'un qui est dans une situation de nécessité, on peut le soulager, ne serait-ce que leur donner une partie de ce qui a été donc euh, décidé, quitte maintenant, de temps en temps, en tout cas, à chercher à épurer cette, euh, question. Euh, c'est ce que je pense, mais je dois dire qu'en tout cas, à l'endroit de tous, ce que le plus souvent, on a tendance les affaires des plus faibles à les mettre vraiment, à les oublier. et vous allez voir qu'il y en a des gens qui sont loin d'être une, des affaires qui sont en tout cas une priorité mais on, euh, sont, en train, sont ou d'être réglés. Donc il va falloir que les défenseurs, en tout cas, du droit humain, euh, les citoyens, qu'on se dise que véritablement, euh, ce n'est pas correct. il faut, dans une situation, dans un pays normal, en tout cas, les droits des plus faibles, en tout cas, on doit être très regardant parce que eux, ils n'ont pas, en tout cas, je veux dire, le minimum souvent. Et on le sait, c'est des maladies très compliqué dans la prise en charge qui demande beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, certains, par manque de ces moyens, effectivement, ont même perdu la vie. Mmh. Euh, donc, euh, mon mot, c'est que euh, je pense qu'il va falloir que le ministre des Finances, en tout cas, fasse la vraie situation de ce dossier. Si par le passé, quelque chose a été épargné par ces gens, si ça n'a pas été fait, qu'il vienne en tout cas devant le Parlement dire les choses et qu'il puisse vraiment décidément prendre une décision qui puisse en tout cas permettre euh, en tout cas au Trésor public de se donner cet engagement. Le ministre des Finances euh, qui a donc annoncé que le gouvernement va respecter cette euh, décision de justice qui consiste à dédommager toutes ces personnes. Le temps nous en dira plus. Passons au retrait de l'agenda du Parlement nigérien de la proposition de loi de 2006 relative à la lutte anti-tabac. C'était prévu à l'hémicycle pour hier euh, jeudi 25 octobre, mais hélas, suivant les explications du président de l'association SOS Tabagisme qui parle de l'introduction de certaines mesures qui pourraient justifier ce retrait de test. Inoussa Sauna est au micro de Souman Il s'agit d'un amendement pour renforcer la loi qui existe déjà depuis 12 ans au vu de son inefficacité parce qu'elle n'est pas mise en œuvre à 100%, de pouvoir la mettre au même niveau que les autres lois de la sous-région. Et elle vise également à introduire dans la loi les autres produits du tabac qui n'existaient pas en 2006 pendant son adoption, comme la chicha par exemple, de pouvoir introduire l'interdiction de son importation, de sa vente, y compris ses accessoires, mais également d'introduire des dispositions permettant à l'État de pouvoir taxer les produits du tabac, non seulement la rendre inaccessible aux enfants et aux pauvres, mais surtout permettre à l'État d'avoir des recettes et permettre une réelle protection des populations. Notre souhait est que les dispositions nouvelles qu'elle contient actuellement permettront de la rendre plus applicable que les autres lois. Al-Aji Mohamedou Suleiman, vous avez écrit un article sur le site Niger Inter pour édifier sur ce retrait. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'anormal en cela euh, ben, Finalement, euh, ce que les députés ont essayé de donner comme argument, c'est de, dire qu'il y a vice de procédure, mais à la vérité, euh, il faut être très vigilant. Moi, je vois quelque part euh, l'interférence de l'industrie du tabac parce que c'est pas seulement au Niger, dans le monde entier, l'industrie en tout cas veille au grain. Euh, elle essaie d'empêcher au pays d'avoir des lois fortes, en tout cas dans le sens de menacer ses intérêts, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on le sait, les parlementaires, les leaders d'opinion, les gouvernants, l'industrie sait comment justement euh, les travailler euh, aux parlementaires, selon des archives euh, bien connues, on te propose euh, un fourrage, en tout cas des actions au niveau de, de ta base électorale. les députés qui ne sont pas très très regardants sur l'intérêt général peuvent céder au chantage. Donc bref, je pense que il a dit On Sauna que la loi, ce qui est important à souligner, euh, c'est une loi qui pourrait euh, en fait euh, engendrer, permettre à l'État de mobiliser des, des, milliards. De, l'argent qui peut être utilisé pour financer la santé, la lutte contre le cancer. Et vraiment, ce que n'est pas déjà des loi qui peuvent avoir une incidence financière dans le sens où on doit demander au budget. Non, c'est que la loi, si elle est appliquée comme elle l'a dit, elle permet en tout cas, non seulement en le faisant, on va davantage avoir de ressources avec l'industrie qui sait faire la fraude. Elle, elle sait parce que dans notre pays, euh, essayez de voir. Le tabac a toujours un prix fixe. C'est pas le parce que tout simplement, quoi qu'on fasse, ils ont le secret de leur business. Ils ne peuvent pas perdre. Et ça, les experts, en tout cas, qui ont accompagné ces députés à élaborer la loi, ils ont vraiment. Euh, c'est pas en fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en retard. Le Niger, depuis 2006, nous avons une loi, mais des pays comme le Sénégal qui sont derrière nous, aujourd'hui sont vraiment en avance. Parce que, par exemple, vous voyez, euh, aujourd'hui, le, euh, Sénégal, Sénégal, je crois, ils sont à 70% de la publicité sur le paquet de tabac pour dire que c'est euh, dangereux. Voilà. nous, on, est loin de. Vous voyez quoi, on est très, très en retard. Donc, vraiment, moi, je pense que, de mon point de vue, euh, connaissant un peu euh, le stratagème de l'industrie du tabac, je pense que quelque part, il faut fouiller. Ce qui est gênant, les parlementaires, en tout cas, qui devraient examiner la loi hier jeudi, euh, n'ont pas dit quand est-ce que maintenant, n'ont pas reprogrammé la loi. Et nous pensons que dans cette session-là, normalement, une, loi qui est censée vraiment concerner la santé des populations, il n'y a aucun député qui puisse, en tout cas, publiquement, défendre que elle ne doit pas mm. passer. Donc, bref, je pense qu'il y a Anguille sous roche quelque part. Il nous faut un peu davantage fouiller pour savoir quelles sont vraiment les vraies raisons de ce, euh, de ce retrait ou bien de ce non-débat de, cette loi sur le, sur le tabac. on l'a entendu, cette loi anti-tabac qui date euh, de 2006 euh, au Niger n'est pas bien appliquée car beaucoup en fument toujours les autres. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait Mais ce qui peut expliquer cet état de fait, c'est les intérêts. C'est un gros intérêt, l'industrie du tabac, Suleiman vient de le dire. Qui sont les importateurs de tabac C'est des milliards, c'est des milliards que les gens brassent, sans compter la contrebande et tout et tout. Quand la loi est arrivée au niveau de l'Assemblée, vous, avez bien vu. Parce que certainement qu'il y a des députés, en tout cas, qui ont été foudoyés, et on a retiré la loi, sans dire à quel moment on va la réintroduire. Parce que tout simplement, ça ne les arrange pas un peu partout dans tous les pays du monde, il y a une bataille qui se mène. Mais malheureusement, chez nous, les gens sont faibles et ils voient que leurs intérêts. Avant même, avant même, la proposition de loi qui est récemment formulée, il y a une loi qui existait depuis 2006. Oui, mais bien euh, entendu, mais en quoi depuis 2006, cette loi, cette euh, il nous a fait remarquer que ce n'était pas suffisamment non, respecté. Mais non, mais déjà, il fallait commencer à l'appliquer. Ça fait 2006 à aujourd'hui, ça fait combien d'années 12 ans. cest même si on rajoute des, des, des, nouvelles mesures par rapport à la loi, on l'améliore, c'est pas évident. Parce que tout simplement, c'est des gros intérêts et des gens, les puissances et les, les, les, les, gros, les, les ils vont pas accepter que ce commerce-là, on crée les conditions. Parce que quand vous allez un peu en Occident, le tabac est très fortement taxé. Mhm. C'est fortement taxé. Mais c'est dans nos pays qu'ils arrivent à faire leur business. Parce que c'est dans nos pays où le paquet de cigarettes te fait 500 francs. Il y a même des paquets à 253 francs. Et c'est là ils engrangent beaucoup d'argent parce que de l'autre côté, en fonction, parce qu'on va te dire le paquet de cigarettes, tu dois l'acheter à 2500. Mais quand tu fais le rapport, <coughs> évidemment, un beau matin, tu vas te dire non, mais je ne peux pas mettre 2500 chaque matin pour prendre un paquet. et c'est compliqué. Issa Madougou, quelles mesures prendre pour trouver un début d'application de cette loi qui permettra de réduire les méfaits de la consommation du tabac au Niger D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi 2006-12 du 15 mai 2006 était la première en Afrique de l'Ouest mm. dans le cadre de la lutte contre le tabac. Vous savez, 2006, euh, ça a été voté la loi cadre régionale euh, au niveau de la CDAO. Donc, à cette date, il y avait le Niger qui était l'un des pionniers parce que vous savez, après, c'est en 2017 que le décret d'application est sorti. Le Niger a participé dans la rédaction de cette loi au niveau du Bénin, au niveau du Tchad, d'un certain nombre de pays de Donc, vous voyez, de 2006 à aujourd'hui, eh, il y a eu beaucoup de mutations. Et le changement à l'industrie s'est métamorphosé. On a assisté avec l'apparition de la chicha, de la cigarette électronique. Donc, voyez-vous, il faut modéliser un peu cette loi au contexte actuel. Mhm. Il y a des nouvelles directives par rapport euh, à l'implication au-delà des services de la police sanitaire pour euh, constater les infractions. Il faut élargir parce que la police sanitaire n'a pas assez les moyens pour être partout sur le territoire national. Il y a la, la fiscalité. Tout cela fait en sorte qu'on est obligé aujourd'hui d'amender ce projet de loi. Et c'est ça les 17 articles qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale parce que l'intitulé, c'est projet de loi portant amendement de la loi 2006-12 du 15 mai 2006 portant loi anti-tabac dans notre pays. En ce temps, quand la loi était sortie, c'est une qu'est-ce qui été dit Le point qui a été plus vulgarisé, c'est l'interdiction de fumer dans les espaces publics et les espaces couverts. Maintenant, on a euh, ces tabacs modernes, chicha et la, cigarette électronique qui inondent. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 20, 22% des cas de cancer sont d'origine tabac, du tabac. Donc, voyez-vous un peu le problème, le rôle que le tabac est en train de jouer dans la dégradation de la santé des populations. Quand une population est malade, nous ne pouvons pas parler de croissance. Conscient aujourd'hui du fait de cette puissance de l'industrie du tabac. C'est pour cela que ils ont trouvé des stratégies. Vous n'allez, on, peut comprendre qu'ils ont une même mise Selon vous, qu'est-ce qui bloque alors Puisque l'État, on le sait bien, il a quand même euh, pour mission régalienne de protéger la santé de, des populations, donc euh, de ses citoyens. Michel, soyons réalistes. Le Niger, c'est un pays pauvre. Pendant que ces, les, ces industries, cette industrie puissante peut manipuler des pays comme les États-Unis, qu'est-ce que le Niger peut faire Nous pouvons que conscientiser amener les gens à, qui profite cela alors Mais écoutez, faisons un petit calcul. De 2000 à aujourd'hui, il n'y a pas euh, un produit qui n'a pas connu une hausse de son prix. Il n'y en a pas. Par exemple, vous prenez, moi je suis un fumeur, je suis contre ça. Et mais le tabac, le prix du tabac s'est stagné depuis plus de 10 ans. Vous pensez que les frais de taxes là, ils ne payent pas C'est parce que la valeur, c'est sur la valeur qu'on qu'on prélève les frais de dédouanement et les impôts. Vous pouvez faire des commandes de 1 milliard et vous venez déclarer avec une facture de 50 millions à la douane pour dire que j'ai fait une commande de 50 millions. Maintenant, dans la loi, le gouvernement peut, par année, avoir à peu près 15 milliards d'impôts qui peut être injecté dans le développement du pays. Un, appel, pour terminer alors ce sujet, puisque nous allons parler d'autres choses. cette mhm. situation vraiment devrait nous interpeller. Aujourd'hui où nous sommes dans un contexte où la mobilisation des ressources internes pose problème, où la fiscalité, l'imposition de certains secteurs aujourd'hui divise les Nigériens, voilà une voie pour l'État d'avoir des ressources euh, importantes. oui, des ressources supplémentaires. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on revienne. Il faut que la mobilisation. Doit... Prochainement, au lieu que les gens sortent pour d'autres choses, sortons dans les rues pour exiger à ce que cette loi soit votée qui se sont ramenés dans le calendrier. Parce que ce qui a été donné comme argument vice de procédure ne tient pas la route parce qu'une loi qui a été envoyée depuis mai 2018 à l'Assemblée nationale, c'est maintenant à trois jours qu'on dit qu'il y a vice de procédure. S'il vous plaît. et puis on se moque. Merci Samadougou. Terminons avec les résultats de la présidentielle camerounaise annoncée lundi 22 octobre. Le président sortant, Paul Biya, âgé de 85 ans, remporte à nouveau cette présidentielle avec 71% des voix devant Maurice Camteau euh, qui n'a eu que 14% selon les chiffres officiels. Maurice euh, conteste vivement cette victoire qu'on peut appeler un coup chaos. La conférence épiscopale du Cameroun estime que ces élections ces résultats proclamés donc par le Conseil constitutionnel suscitent des interrogations. interrogées par nos confrères de RFI, le président de cette conférence, Monseigneur Samuel Cléda, a dit, je cite, ces résultats ne me semblent pas corrects, ne sont pas corrects du tout. Fin de citation. Quelle analyse faites-vous de cette réélection pour un septième mandat de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans, voire euh, beaucoup plus, euh, car il était d'abord Premier ministre avant de remplacer le président Amadou Idjo, décédé à l'âge de Mohamedou Suleiman euh, Le cas de Paul Biya est un cas d'école, c'est une des rares dinosaures en Afrique on a pensé que euh, l'opposition camerounaise, en tout cas les Camerounais, étaient déterminés à changer. Malheureusement, on se rend compte que, euh, encore que le vrai débat, vous l'avez dit, c'est la transparence même de, euh, avec même la, je veux dire l'usure, il a su verrouiller, il sait comment véritablement tricher pour, pour se maintenir. Mais je pense que, franchement, la question que je me pose, pourquoi en Afrique, le cas aujourd'hui de Paul Biya, le cas Bouteflika qui est malade, pourquoi les gens ne peuvent pas d'eux-mêmes se dire que, mais il doit avoir une vie après le pouvoir. Mhm. Je sais que, effectivement, en Afrique, quand on gère, souvent, on n'est pas très correct. Il y a la corruption, il y a beaucoup de dossiers. Donc, euh, on a peur de l'avenir. Et je pense que euh, ça doit pas être, euh, je veux dire, euh, la démocratie, en tout cas, c'est des valeurs universelles. Parce euh, que l'alternative serait quand on est au pouvoir de gérer de manière transparente, en tout cas, mettre en avant les valeurs. Comme ça, on peut le pouvoir, quitter le pouvoir sans crainte de quoi que ce soit. Mais malheureusement, on se rend compte que très, très, euh, c'est assez désolant qu'un pays aujourd'hui, des citoyens qui ont 36 ans ne connaissent que le même visage. Vous euh, voyez quoi, je pense que euh, Dieu merci, en tout cas, nous, je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, notre, euh, euh, en tout cas, je veux dire, aspiration, en tout cas, à la, démocratie, que cela puisse être dans ce pays. Je, ne pense pas. Oui, Hussein Issa, quel enseignement tirer de cette situation pour les autres pays du continent Non mais, C'est son septième mandat, je crois. Mhm. Mais c'est des mandats de, je crois, 5 ans, 5 ans, je crois, depuis un certain temps. Mais pendant sept ans, du, moins en sept mandats, s'il n'a pas pu e, e, réaliser quelque chose, en tout cas en termes de développement de son pays, est-ce que ce nouveau mandat, parce que ce n'est pas un mandat, c'est une parodie d'élection qu'il y a eu là-bas. ce n'est pas une élection transparente, c'est clair. Tantôt est sorti pour dire celui qui a gagné. Le Conseil constitutionnel quand même a dit que c'est un instrument entre les mains de Paul je l'ai suivi quand il n'a même pas battu, il est parti dans une seule localité quand la campagne a commencé. Il parlait difficilement. Mais évidemment, quand vous avez tous les instruments entre les mains, vous les manipulez. Ça a pris combien de temps même avant que les élections, les résultats ne soient annoncés Le Conseil constitutionnel, c'est un instrument entre les mains de Paul Biya. Même s'il il, resté reste vivant, il a 85 ans. Il va faire encore 5 ans au pouvoir. Il va se représenter pour un huitième mandat il va passer. Il va passer. Les Camerounais, quoi qu'ils fassent, même s'ils se coalisent là, ça ne va pas donner quelque chose. Tous les dinosaures là, c'est pour ça, qu'ils veulent mourir au pouvoir. Et je vois mal que lui-même abandonne, qu'ils disent que Bouteflika, le cas Bouteflika est là, ou c'est les généraux qui manipulent. Lui-même, il est gravataire dans un euh, fauteuil roulant. C'est malheureusement ça le drame de l'Afrique. Issa Isama Issa est-ce qu'on peut espérer une lueur d'espoir pour une alternance euh, au Cameroun Pourquoi euh, <laughs> vous parlez <laughs> Écoutez, vous savez, voilà des pratiques qui font en sorte que l'Afrique est à la traîne. Parce qu'il faut, il faut prendre l'exemple. Je, le l'ai dit chaque fois, nous sommes des humains. Parfois, il faut savoir copier quand les, gens font du bien. Il faut les copier. Aujourd'hui, vous voyez, le Ghana, c'est un, exemple, un, modèle. de démocratie tellement qu'il y a la tendance, ce pays est en train de, de, de, de, franchir le cap du sous-développé pour tendre vers l'émergence. C'est extraordinaire. Au, Cameroun, qu'est-ce que vous espérez La machine est déjà au contrôle de Paul Biya. Paul Biya, aujourd'hui, c'est un président qui reste euh, comme, euh, quelques mois euh, au Cameroun et le il, passe à, la Suisse. C'est un président qu'on ne sait pas qui est élu pour la Suisse ou bien pour un. mais déjà, la faute revient à qui au peuple camerounais. Quand le jeune Cabral Libi, candidat qui est venu à la troisième place, a lancé le mouvement 11 millions d'inscrits, qu'est-ce qu'il dit Il dit, vous ne pouvez pas changer les choses tant que vous restez à la maison à crier, à faire des débats inutiles. Allez-y vous inscrire sur les listes électorales. Ayez votre carte. Il a sorti sa carte, il a dit, voilà la voie du changement. Et aujourd'hui, il était le, Benjamin. À 38 ans aujourd'hui, il a pu battre tout le monde, même, Maurice, même Maurice j'arrive, même Maurice Kamto hmm. qui est venu en deuxième position, tout le monde sait qu'il s'est basé sur la fibre ethnique bamilenke pour arriver à cette position. Eux tous, ils ont volé. Il dit d'ailleurs qu'il aurait pu euh, être le premier s'il euh, n'avait pas de fraude. Écoutez, écoutez c'est un ancien collaborateur de Paul Biya, c'est pour cela qu'il est sorti dès le lendemain des élections pour se proclamer euh, vainqueur. C'est comme pour dire, pour un peu paraphraser un humoriste africain qui dit en Afrique, là où les élections sont extraordinaires, c'est avant d'aller voter qu'on connaît qui est le vainqueur déjà. donc, de toutes les <laughs> façons, cela, ce n'est pas de la démocratie. Comme Hussein l'a dit, c'est une parodie. Et il faut que aujourd'hui, seuls les Africains, les populations, ce n'est pas le fait d'aller continuer à se lamenter. Et la voie démocratique, sortons, même si on va vous voler, sortons pour aller, les gens ne votent même pas. Quand on a, au lendemain des élections, les micros des télé, quand ils les ont promenés dans les rues camerounaises, on demande, on rencontre cinq jeunes. Trois n'ont pas été aux, urnes. Et on, leur demande comment vous pouvez Nous allons terminer ce qu'il y en a qui étaient complètement déjà déçus et qui présageaient déjà. Mais qui va faire le travail à leur place Merci, merci à vous tous. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste freelance, et Laji Mohamedou Suleiman, journaliste euh, au journal euh, en ligne euh, Niger Inter, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. À la présentation, c'était Michel Degé à la technique, Issa Loli. Rendez-vous demain et dimanche à partir de 17h15 pour le forum en Hausa et en Zarma avec Hawa Ousmane et Balkis Amidou qui parleront du mariage des enfants au Niger avec des chefs traditionnels. Excellente soirée à toutes et à tous.